d'aller et de revenir des citoyens entrave maintenant la liberté de culte. Sur quelle base La Constitution dit que j'ai le droit de bouger. La Constitution dit que j'ai le droit d'aller prier. Donc, un ordre ne peut pas violer la Constitution. Et de la loi et le commandement de Le commandement ne tire sa liberté que de la loi. Il n'y a pas En droit administratif, on parle d'ordre manifestement illégal. Ce n'est pas tout ordre qui est illégal. Donc quand ton ordre est illégal, vous en tant qu'officier de, police, vous avez le droit de désobéir. Ce n'est pas tout ordre qu'on exécute de manière aveugle. C'est manifestement illégal. Manifestement, flagramment illégal. Mais je ne vous en veux pas, vous faites votre travail, vous suivez les ordres. C'était un moment de communication. Et c'est à cela que notre République est réduite malheureusement. vous êtes victime, nous sommes victimes. N'est-ce pas ah, fii dara du fi jàll ndax brouillé nañu yëpp il n'aura pas de son quand ça sortir mais di wax Sénégalais yëpp su dee son am nag génn nañu war a dem julli ci juma en tant que jullit waaye nee nañu amuñu sañ-sañu dem julli ci juma loolu li muy firnde mooy dëkk bi tey liberté dem ak ñëw nga xam ne constitution ñu ko may xaj nañ ñu ko waaye liberté bi nga xam ne may nañ ko képp kuy sénégalais ci gëm-gëmam ngay chrétien ngay jullit wala ngay sax euh, euh, religion traditionnelle ñu ne la am nga droit kii euh, sa sa diine même liberté boobu xaj nañ ñu ko tey loolu laa doon waxtaan ak sëñ bi nee na dañoo jot ay ordre ma ne ko nag constitution moo jiitu loi yi doog a ñëw règlement yi doog a ñëw un ordre c'est un règlement mënul violer constitution mënul violer la loi or bii ordre dafa violer constitution violer la loi mais li ma ci tënk rek mooy du ñoom ñoom victime lañ ci ñun victime lañ ci ay autorité politique yoo xam ne euh, tiit gi ñu tiig ak euh, beew gi ñu beew ci pouvoir moo leen jaral lii lépp malheureusement y a des agents qui sont obligés de faire le travail et qui sont pas forcément d'accord et nous en sommes tous victimes tey àdduna yëpp àdduna yëpp gis na li xew li mooy le régime de Macky Sall je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner Activez la cloche de notification